Khadija Toujours dans votre journal People de la semaine à la présentation c'est dit Tondiamou ton Saliou sur le canal 33 Leral TV les nag dañuy dem fële ci coalition bi nga xamante tudd association Sàmm Jikko association boobu jàppale appeler que kii di Cheikh Omar Diagne qui la beaucoup Cheikh Omar Diagne nag ñu ràññee ko bu baax ci plateau et mouille de jàppale ni que daal di Cheikh Omar Diagne démissionné na ci collectif vous ñuy tuddee ànd Sàmm Jikko Yi jamais je n'ai attaqué des tariha ou des maîtres coraniques ou des maîtres spirituels kii di Cheikh Omar Diagne daal bokkoon ci association association boobu ñu ciblé woon sàmm jikko yi te Babacar Mboup jiite ko ki di Cheikh Omar Diagne démissionné n'a claqué na porte yi génn na ci biir xam na lenn dal musul attaquer ben tarixa ni ben maître bo xamanteni ni yaa ngi jëngale jàngale lu jëm ci walu diiné ba tey suñu sukkandikoo ci communiquer biñu jot bi Cheikh Omar Diagne wax ko j'ai décidé de démissionner du collectif And Sàmm Jikko pour convenance personnelle mom la wax je ne regrette pas mon cheminement avec ces honorables personnes autour d'un combat de valeurs et de principes, j'ai consacré mon temps, mes biens et ma connaissance en cette lutte à appartenir à un groupe. Et contraignant beaucoup d'égards, et je n'aimerais pas gêner les miens dans la réussite de nos ambitions qui sont au-dessus de nos personnes. Pour rappel, j'avais décidé unilatéralement de ne plus diriger des commissions dans ASJ suite à des différends avec des meutes un groupe d'imbéciles mon croyant déteneur du monopole des incivilités et de la violence toujours le même idiot dans la manipulation et d'orientation de l'opinion mes proches et amis savent de quoi je dis que je parle j'avais aussi décidé de point prendre la parole en public lors de nos manifestations pour ne pas les faiblir d'esprit, torpille notre projet à cause de leur haine construite sur ma personne avec des arguments falsifiés. Dans un combat d'épique, il faut tout pour arriver à la victoire. Ma méthode a été partagée et indexation sans complaisance à cette diversité qui est un atout dans cette lutte dangereuse que nous avons engagée. Contre des lobbies maçonniques, et LGBT et leurs suppôts nationaux. Je pense que j'ai séminé avec des amis, exige de ces derniers de dire de la vérité, même sur pression ou des temps de trouble. Et jamais je n'ai attaqué de tariqa ou des maîtres spirituels. Quant au trafic ou non des voix, je ne daignerai de le dénoncer et de m'en indigner qu'Allah nous accorde la victoire de ce majestueux combat, car je ne cesserai d'y être sous d'autres formes, avec d'autres modalités. Merci à tous, la lutte continue. Annonce Cher Omar Diagne sur sa page Facebook. ginnaaw daal bu mu ci association Bobo di collectif ànd sàmm jikko xam pour convenance personnelle moo tax mu mais teewut li mu doon xeex di ko combattre dina ci continuer de ci combattre mais ci une façon ak un anime loolu Cheikh Omar Diagne yëkkati mu bind ko ci page Facebook Thank you.